di leen gërëm di leen sant ci seen teewaay fii ngeen jóg ñëw wuyu si conférence bi nga xam ne moom la ñu tënk tey ak yéen te mu concerne rek ñaari nit parce que ñun ñëpp ay waa PDS lañu mais conférence bi diggante conférencier bi la. ak journaliste yi ñu fàttali ko sunu responsable Tafsir Coy dafa wax ne fii ñu toog tey biir na ne yéen xàmmee ngeen kanam yi nga xam ne ñoo fi toog parce que yéen miin ngeen leen du parti bi mais yéen ngeen xam ne da ngeen yore seen caméra di enregistré di top Sénégalais en ak homme politique yi xàmme ngeen mais xamé ngeen principalement ki nga xamné mako ci yok mom moy Tafsir mu wax parti bi nga xamné ñepp fi secrétaire général adjoint militant membre du comité directeur secrétariat national député

2024 bu ma trop trop trop trop doon wax ne l'appel du 18 juin 45 la que l'État, tax président de la république de jël un décret présidentiel ...qui xam ne de nationale 64 ans d'indépendance loolu mësul ...dans ci constitution ren la masa am ngoonte boon dañuy wax guléet jàpp na ne moom luy am njeexital la ëllëg ci doxinu réew mi te dinañ ko waxtaane mu ne contexte bi ñu nekk nii nag daf ñu jubal ci ay législatives anticipées loolu tax na ñu ñëw te dañu war a nekk bokk ci loolu dinañ ci ànd dinañ ci dem mais dañ ci dem ak sunu aada dañ dem ak sunu ay valeur dañ dem ak sunu taxaway sunu taxaway moy sauver honneuru PDS PDS dañ ko jël def ko ni seru lay bo wet biti la préservation des valeurs principes et règles ni nga xam mom la PDS dundé 1974 ba légui mu may ko muy gravir échelon yépp ba tey ñu mën a am lii taxaw journaliste taxaw ngay wax ci biti te kenn jàpp la mu ne principe yooyu na suñu principe directeur moom la ñu war a mën a continuer ba jotaak pouvoir mu ne préservation ba euh, protection nag li ci mujj mooy Ablaye Wade ba am na film bu ko wane déet démb dafa nekk koo xam ne kii ku yi wala préservé la alalu àdduna la du alalu Sénégal alalu Afrique le tay big bok wala ci journalu tay amna na ben collègue bu ko bind bu wax président yëpp mais dafa ne Ablaye Wade démocrate la sage la savant la généreux na am ouverture mën na déglu té dina dégg orientation yooyu nga xamné ñu jël nak lolu moy fiñu jëm tay

tey ñu nekk jën yabooy ëllëg ñu nekk këba gannaaw ëllëg ñu nekk mbuur euh, mbuur euh, nu wuti butil gannaaw ëllëg ñu nekk boppu xar wala geen parti bi noonu lañ ko téye boobaak léegi ñu ñaawlu ko trop trop trop trop ci mu ko mooy kenn xàmmeetul parti démocratique sénégalais te parti démocratique sénégal kàddu la amoon ak taxawaay du taxaway politique rek de mais mu ne ak taxaway ci lepp lo xamné li lii réew mi ak askan wi taxawonoko wala mu yëg mu ne muy fàttali ne ci février 2024 bi passé rek majorité bi dañu est ci benn situation de xamné bi dafa am luñu créé PDS 25 députés fexé nañu ba nax ko mu nekk 83 fexé ba mu créé commission d'enquête parlementaire digne ay nit ay magistrats 3 milliards de francs

Euh, Sous le parti acceptons que nous dissoudre conseil économique et social et environnemental Nous ne fo nous ñuy devons parti bi Nous Fi, dugal fii Nous devons génne fii Nous devons génne dafa nekk lu nous ñun ñu situation bi situation bi pour nous jëm nous ñun lancer appel

PDS nit la koo xam ne kii dañ ko bëgg a faagaagal ndax frat fratricide la ndax parricide la mais PDS dafa am nit dafa am ñoo xam ne dañuy taxaw ci rendi ko te ñoo ñu jéggiwul ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ñoo jiite parti bi en particulier Karim Meïssa Wade concernant nag suñu participation ci élection législative yi ñu ngi nekk en discussion ñu ngi waxtaan ci ay waxtaan yoo xam ne yu sori la

fait à Dakar le 23 septembre 2020. Chers frères et sœurs du Parti démocratique sénégalais, je voudrais vous remercier, et principalement la presse, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Cette conférence de presse que nous organisons aujourd'hui fait suite à un communiqué que nous avons publié la semaine dernière pour informer l'opinion de l'état de déliquescence dans lequel se trouve le Parti démocratique sénégalais et la nécessité de le sauver. Elle fait suite également à une journée de réflexion que nous avons eu à organiser dans un hôtel de la place pour tracer les orientations politiques et électorales qui guideront nos actions et qui pourront nous aider à redorer le blason du PDS. Mesdames, Messieurs, vous avez en face de vous le PDS. Ces visages d'hommes et de femmes qui sont dans cette salle reflètent le vrai visage du PDS. Vous y trouverez des secrétaires généraux nationaux adjoints, des secrétaires nationaux, des membres du comité directeur, des responsables à la base et des membres des organismes internes, notamment les jeunes, les femmes, les anciens, mais aussi les compagnons du président Ablaouad qui ont tout donné à ce parti. Nous faisons un clin d'œil à la diaspora, qui est fortement présente dans le combat et représentée ici par le frère Sayed Gueye, secrétaire général national adjoint en charge des Sénégalais de la diaspora. Nous rendons hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui se sont battus pour faire de ce que parti ce qu'il est aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, cette conférence de presse se tient dans un contexte particulier Marqué par une dissolution, pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, de l'Assemblée nationale par décret présidentiel. Cette dissolution, intervenue dans des conditions dramatiques, constitue une véritable rupture avec les bonnes pratiques et pesera sans doute lourd dans le passif du régime actuel en place au moment de dresser un bilan. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Ce contexte est également marqué par les jeux d'alliance et de contre-alliance en direction des élections législatives de novembre 2024. Nous informons l'opinion publique nationale et internationale que nous irons à ces élections, Inch'Allah. Cette participation aux prochaines législatives entre en droite ligne de nos orientations et objectifs stratégiques que sont le sauvetage de l'honneur et de la dignité du PDS et de ses membres, la préservation des valeurs, principes et règles qui régissent le fonctionnement du parti depuis sa création. La protection de l'œuvre du frère secrétaire général national Maître Ablawad est un patrimoine commun qu'est le Parti démocratique sénégalais. Ces orientations et objectifs ne sont que la conséquence d'un constat amer fait par tous les Sénégalais, à savoir la transformation de notre parti en parti yobalément tel un mendiant à quête de va bavouant du coup sa dignité et son honneur. Il s'y ajoute les violations en permanence des textes qui régissent le parti et l'absence de démocratie interne. Le ratage de des deux dernières présidentielles, du fait de l'absence prolongée du candidat qui avait été choisi, sans explication, sans excuse aux militants et aux militantes, en est une parfaite illustration. Le rejet par la majorité de la main tendue du PDS est également une grande humiliation. Cette main tendue, rejetée et tendue à l'APR qui l'accepte à travers une mise en scène digne des pièces de théâtre de la grande troupe d'Arrêt a fait tomber les masques. L'alliance qui en est issue est une véritable infamie, un affront à l'endroit des militants et militantes du PDS qui se sont battus durant 12 bonnes années pour faire face au régime de la paix. L'intelligence politique aurait recommandé qu'il y mette les formes. Cette valse dangereuse et honteuse depuis plusieurs mois entre la nouvelle majorité, c'est-à-dire le passé, et la majorité sortante risque de réduire le PDS à sa plus simple expression. C'est pourquoi nous avons décidé d'engager le combat pour honorer le parcours de notre secrétaire général national, Maître Abdoulaye pour honorer le parcours du parti, celui de ses compagnons, celui des braves, militants et militantes qui se sont battus avec dignité pour préserver notre devise qui est dignité, justice et fraternité. Depuis plusieurs mois, le PDS apparaît aux yeux des Sénégalais comme un rat de jour. Pour rappel, en janvier et février 2024, le PDS était avec la majorité sortante pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire qui avait servi de base pour reporter la présidentielle et pour faire adopter la loi d'amnistie. En mars 2024, le PDS a rejoint injustement, sans concertation interne, comme il est de coutume dans le processus de prise de décision en interne et contre la volonté de plusieurs milliers de militants et militantes, la coalition Dioma et président qui l'a soutenu. Ce soutien total constituait déjà une première dans l'histoire du PDS le PDS n'a jamais soutenu, n'a jamais été un mouvement de soutien pour un quelconque parti politique ou coalition de partis politiques. Le PDS a toujours été en alliance avec des partis ou des coalitions. En début septembre 2024, le PDS s'est fait représenter à la présentation du bilan de Macky Sall et de son régime à la permanence nationale de la paix. Le 12 septembre 2024, les députés du PDS déclarent publiquement à la tribune de l'Assemblée nationale qu'ils sont dans la majorité. Ceci a été confirmé par le vote favorable de la loi portant dissolution du Conseil économique et social et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le refus de signature par le parti de la charte de et de participation à sa réunion. Quelques jours après, il est annoncé que le PDS va aller aux législatives de 2024 avec le PASSEF. Deux jours après, le PDS signe avec la paix un accord au siège du PDS et sur sa demande pour aller ensemble aux législatives. Ce jeu dangereux, ce jeu de yoyo politique, ce jeu dangereux de yo politique n'est pas PDS. Elle ne reflète pas son parcours, encore moins ses valeurs et sa position historique de leader qu'il a toujours incarné. Au regard de cette situation, nous avons décidé d'engager le combat en tant que parti démocratique sénégalais et ce combat sera mené de manière méthodique et dans le respect des textes du parti et des valeurs et principes partagés. Nous avons élaboré un plan d'action que nous allons dérouler et qui nous conduira aux élections législatives et au-delà. Nous lançons ainsi un appel à toutes les militantes, à tous les militants, à tous les sympathisants, à toutes les sympathisantes à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais, à tous les patriotes d'ici et de la diaspora, afin qu'ils nous rejoignent dans ce noble combat de restauration de la dignité et de la justice et de protection d'un patrimoine commun. Concernant notre participation aux élections législatives à venir, nous sommes en discussion avancée avec des partis et coalitions de partis politiques qui se sont rapprochés de nous et avec lesquels nous pourrions cheminer. Cependant, ces futures alliances devront tenir compte des objectifs politiques et électoraux que nous nous sommes déjà fixés et qui pourraient contribuer largement à sauvegarder l'héritage que constitue le PDS. Vive le PDS, vive le Sénégal. Et